auditeurs du studio Kalangu, bonjour. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien de 11h à midi, votre émission phare, les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed, à mes côtés, j'ai Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou, comment tu vas Je vais bien Habiba, quel est le menu du jour D'abord, le flèche d'information, la rubrique santé comme chaque mardi, la rubrique éco des régions qui nous amène aujourd'hui à Agadez. Après interviendront la rubrique portrait, les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangou et notre page sport. Nous suivrons également un entretien avec Hajia Damana, présidente des femmes maraîchères de Tessawa. Elle nous, elle nous parlera de leur groupement qui s'appelle Mata Masu Running. Euh, Mata, Masu voilà. Voilà, comme si hein, ça, j'ai du mal à prononcer Abiba. Alors, les Niger sur Kalangu, c'est aussi la consommation 100% de la musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, comme prévu, voici le flash d'information avec Mokhtar Amodou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Salamatou, bonjour Habiba Ahmed. Bonjour Mokhtar. Mokhtar, quelles sont les nouvelles ce matin eh bien, ce matin, nous débutons ce flash d'information avec cette note de gouvernance. Au Niger, plus de 1400 milliards de francs CFA, dont près de 800 milliards euh, de francs CFA, des ressources internes ont été mobilisées en une année dans le cadre de la gestion des finances publiques, a annoncé le ministère de l'économie et des finances euh, dans son bilan annuel rendu public le 31 juillet dernier. Le pays a levé de fonds à hauteur de 633 milliards de francs CFA sur le marché financier régional et assuré le paiement de près de 600 milliards de francs CFA au titre du service de la dette publique selon le rapport du bilan annuel. En outre, 12 milliards de francs CFA de dividendes au profit de l'État liés à sa participation dans le capital de plusieurs sociétés ont été enregistrés. À cela s'ajoute la, souscription et la libération de la quote-part de l'État dans le capital de 13 sociétés et organismes pour un montant total libéré de 2,296 milliards de francs CFA. Le département de la défense des États-Unis et le ministère de la Défense nationale de la République du Niger ont annoncé hier 5 août la fin du retrait des forces et des moyens américains de la base aérienne 101 d'Agadez. Ce retrait, initié le 19 mai 2024, a été mené à bien dans les délais prévus conformément à l'accord signé entre Niamey et Washington pour finaliser le processus d'ici le 15 septembre prochain. Le retrait des forces américaines stationnées au Niger, euh, qui comprenait environ 1000 éléments répartis entre les bases de Niamey et Agadez, a été accompli grâce à une coopération et une communication efficace entre les forces armées américaines et nigériennes. Dans un communiqué publié hier lundi 5 août, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a exprimé sa ferme condamnation de l'attaque terroriste perpétrée contre les forces armées maliennes à Tinzawaten dans la région de Kidal. Tout en présentant ses condoléances au gouvernement et au peuple malien, l'organisation sous-régionale dit s'opposer fermement à toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité. Dans son communiqué, la CDAO réitère son ferme engagement et sa constante disponibilité en faveur de toute initiative pouvant œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 6 août 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé plus haut, notre entretien porte sur les femmes maraîchères de Tessawa. Nous allons l'écouter juste après notre première musique programmée sur la playlist. Salam Quelle musique pour nos auditeurs Habiba, on va écouter Auré de Big Abdel. Top, c'est parti. Big up there. Chill. Travis Glass on the beat. Such a zone, zone, yeah. Such a aure, aure, yeah. Such a zone, zone. estamos son andar ahora sonche enazo ya ya ahora sina ache estamos son andar ahora sonche enazo ya ya ahora kai kagane taha kate kana santa de ahora che coche amunche son ton sone ya kai ga ahora kai kagane taha kate kana santa de ahora Ba ya tare e komi andai daite. da gaza an ah, toho oh, ita ko ta zama lafiya shine yau amakufata, a makufata hankuri da juna ya zama tilan sai tsufa ranar che kusake ku sake fi ɗan ranar murna ce ku da ki enga, ranar sallah ce ku Aureki qui signifie mariage est le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement. De son vrai nom, Amadou Gado Abdoulaye alias Big Abdel est un artiste chanteur, auteur, compositeur. Classé premier de l'édition 2019 euh, du concours tremplin des jeunes talents du Niger, Big Abdel s'est distingué tout au long du parcours par sa double qualité, aussi bien dans le chant que dans le rap. Défini comme quelqu'un d'introverti, Big Abdel explose littéralement la baraque au contact de la scène et du public. Artiste engagé, il voit la musique comme un outil de sensibilisation et de veille de conscience. Depuis son sacre, il s'est renforcé considérablement à travers la pratique de la guitare et s'oriente de plus en plus vers une musique plus universelle dont on espère qu'il deviendra une figure emblématique au Niger, voire à l'international. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Aouré de Big Abdella. À présent, passons à l'entretien du jour. Et dans la première partie de l'entretien, Madame Hajia Damana nous parle du nombre des femmes qui sont dans le groupement Mata Masu Nomarani, les différents produits cultivés dans leur jardin. Elle précise aussi le mode de fonctionnement du groupement et les différents acteurs qui ont contribué au développement de ces cultures. Ces acteurs ont intervenu dans la mise en place des bassins d'eau et pour l'installation du panneau solaire parce que ces jardins ne marchent qu'avec le courant. Une interview qu'elle m'a accordée lors d'une mission dans la zone. Écoutons. Sunan gurfaman kinku. Sunan gurfaman ɗinmu mata masu noman rani. Ku nawa ne a cikin groupement. Mu 28 ne. eh saura duka sun rage ne tunda da da aka fara mace ta kai arba'in to daga baya da gobe da gobe da gobe akwai mutuwa akwai tsuha matan yanzu muka koma mu 28 ne yanzu wane ne ya kafa shi lokacin da aka kafa ta eh, a kira da sai na kunce shekarar nan an kataro da ya ce duka a tashi a miƙe tsaye ga noman rani to lokacin nan ne muka fara noman rani wannan wurin da kika gani nan tsakuwa ce sa'an nan muka rika cince ta muna ɗebo ruwa ga tafki nan bayan wannan tsoron da kika gani na bakin shandarmeri da nan muke kwalho ruwa muke zuwa muna noman rani muna zuba mu filan sannu sannu har muka samu sa'an nan su prefecture ce ake cewa sai muka samu kumandan ya sanya mana famfo na hwarin na biyu kuma muka koma muka samu tallahi daga wata kungiya da aka kafa nan tesa da ake ce ma conflan to su suka zo suka muna wannan riyojin nan da kuke gani basen basen din nan suka sa mana fano solar don mu rika samun ruwa ana nan kuma na uku sai muka samu wannan mai niger le ita kuma sai ta zo ita ma ta ƙara ba famfon ƙarhi ta sanya mana wannan me ake ce shi wannan fano solar din shi ma guda mai jayo mana ruwa eh to da mi da mi kuke shibkawa cikin jardin kin abin da muke shika cikin jardin din duka dai su salati ne su tumatili aubergine shu duka su carrot masara muna sanya ha'el maka duka muna sanya cikin garkai su ne muke shibka duka dai wanda kuka sani abin noman rani duka wanda muka samu ga shekara muna shibka shi hakan ne muke eh ya ne tsarin tahiya aikin ku take tsarin tahiya aikin mu lokacin nan da akwai famfo akwai kungiya da muka kafa wadda duk wannan ciniki da aka yi na ruwa akwai trezoriyar mai ajiye shi to lokacin nan michel ce muke kai ajiye kuɗin akwai lokacin da snu ta rika kawo mana manyan factor sannu sannu har wannan asusun da muke yi ya shiga cikin wannan abin ruwa da aka ga muna wahala bisa ga wannan abin ruwan sa'annan ne aka muna wannan riyojin masu ba mu ruwa na fano solar din wannan to kun ji yadda tsarin namu yake kuma matan duk wanda suka noma abin su ciki su saida su ba ɗiyansu su ci su yi kyauta haka ne tsarin yake in lokaci yayi akwai 'yan kuɗi da ake tallafawa ana ajiyewa dabra saboda wata matsala in ta samu ko ta gyaran garka ko ta abin ga a ce wani za a wata gudunmuwa da maimakon abin ana amsa biye-biye ga mata cikin wannan dan asusun sai a ɗauka ana bada haka ne muke tahe da shi a lokacin nan akwai lokacin da muke zuwa muna siyo iri da kanmu har muka kai muka samu ana ba mu tallahin iri fawu ta ba mu gidan gona suna ba mu kuma can masu hannu da shuni wanda suka ziyarto mu lokacin akwai su kwasfi duka suna kawo mana tallahi eh suna ba mu tallahin iri a wura da taki duka suna ba mu ina ne kuke sai da kayakin ku suka fito na garaki to inda muke sai da kayan garake nan tesa muke sai da shi kuma wani bi daga ƙauyuka ma suna zuwa sai kuma da wasu departament kamar su hannun mai wajen gazawa age duka suna zuwa nan tesawa su sai na wurin matan saboda salatin namu tsarkatacce ne mutane na bukatar shi kunshi inda muke sai da kayan namu kamar nawa nawa kuke sai da shi to plan shi wani bi ana samu a sai da plan shi ta jika biyu ana sai da planshi ta ɗari uku ana sai da planshi ta jika tunda daga girman planshi ne ake cinikinta wata tana himma jika biyu wata tana kai har jika uku jika hudu sadefan da planshi ɗin yanda girmanta yake eh. dan wajen tumatiri shi in mace ta yi kwando tana sai da jika uku uku da rabi wajen suka biwa waɗannan kamar su ta sun radi duka in aka yi gafaniye ne ake sa ana saida ka biyu ɗari uku haka matan ke da shi tunda waɗance ne su radi ɗin waɗannan beterav akwai masu buƙatar su har yanzu wasu basu san su ba to wanda suka san daraja su ke zuwa su sai flash suna sayan flash ɗin wannan wata jikka wata ɗari uku haka muke zan sai da waɗannan flashoshi ko ko mu cire a yi kulli kulli a yi kullin ashirin. zuwa kullun dala arba'in haka matan ke saida su yanzu in kuka da kayan nan kuna samun riba to Allah sa albarka tun da ka ci ka sha ma ka yi kyauta ai ita ce babban riba sannan kuma in aka girka wannan ‘yal adashen da ake yi ta in an sai da wannan mata masu dubara in suka saye suka da suka samu wannan adashen suna sayan bisa shi. to kin ga in ka samu ka girka akuya ko tumkiya ai ka tahi in dai ka tattalata za ta wanke ka gaba haka muka yi wannan tsarin tunda cikin cinikin da muke muna dura adashi muka yi wannan adashen ana ba matan da suka dauka wasu suna sayan bisa shi wasu kuma suna bukatun su na daban haka ne ake yi da su Chers auditeurs, avant de poursuivre notre entretien, marquons une pause pour écouter une deuxième musique de Daré avec le titre Et si c'est pas nous c'est qui Ça dérange à Hirigan, il pelait du Hirigan nigayno tisinnisino ningate nigateno tisitenisiteno ninguwiniguwino tisiwinisiwino eninoru imawi alborbakilu imawi ikwema aiweme wada alborbakilu akonda isibe asinda isibai norogo zibara akakene hawai

Bani arbo bina gangi sale si sibe ga sabga sinai bi bana bo ni yo si ido ni mata baba bo aga bani seno baka sina kanindo mantai foseno ni ma berandi bo abai kware no dinga inne ga no, disi hinni si no, dinga tene ga teno disi tene si teno Bakilou est le titre que vous kiffez de l'artiste Mamandare Moussa alias Dari, un jeune artiste rappeur, chanteur, compositeur qui a opté le rap conscient dans le style afro-hip-hop. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou que nous poursuivons avec notre entretien. Nous avons écouté le potentiel du jardin des femmes de Tessawa. Dans cette seconde partie, Haji Damana revient sur les difficultés qui freinent leurs activités, surtout en cette période pluvieuse où l'eau stagne à la devanture du jardin. Selon la présidente, cela rend impossible la production. Elles ne font seulement que la culture de contre-saison. À cet effet, elle lance lancé un appel aux collectivités territoriales de Tessawa pour qu'elles leur apportent leur soutien en, en évacuant de l'eau. À cela s'ajoute également le manque de matériel. Écoutons. Riba takaci tunda kai kai abinka wannan dai asusu da ake dan kaɗan ne na saboda gyaran wuri shi ne daban yake shi ba mai taɓa shi amma wannan riba taka ci riba ka wannan adashen kuma riba ka ka ci ka sha riba ka ka yi kyauta kayi bukatunka shine dai riba cikin riba wannan muna ci da ɗiyan mu ciki muna yin kyauta ciki kama yaro ya tsahiya ta yi zatahiya in wannan ciniki kai ciki ne zaka bashi rekreation sannan in ka koma da rana ma ciki ne zaka ɗuri. kun taba samun tallafi ga wani ONG ko wani proje a Allah sa albarka mun samu tallahi kun ga nan gulbi sun muna tallahi seven sun muna tallahi kwasfe sun muna tallahi fawo sun muna tallafi hallau kuma huskar gwamnati ma daga gidan gona ana ba mu tallahi duk shekara suna ba mu iri na aiki wanda za mu fara da shi bana ne ma dai irin bai fara zuwa ga hannunmu ba amma duk shekara sai sun kawo mana iri kamfom deter kalleti duk daga gidan gona suke kawo mana har su ba mu mataki wanda za a rika sawa ga salatin saboda ko kwari in ya taba ko su tumatiri su aubergine hakan ga duka suna kawo mana tallahin waɗannan wani irin masaloli kuke fuskanta mu da yanzu matsalar mu akwai matsala ta wajen ruwa akwai matsala kuma ta wajen kayan aiki sannan kuma akwai matsala ta wajen iri to su ne ba ma kamar matsala in muna samun ruwa ko mahiddar ruwa tun da wurin namu in damuna ta yi ruwa ke kwantawa bakin noman ranin mu cikin rani da muna noman damuna amma yanzu wurin da ke hidda ruwa an tare mana shi shine muke son wannan ruwan a rika hidda su don mu samu noman damuna ma muna yi tun daga damanan ma in muka yi noma muna unhwani da wannan wuri amma bakin da yanzu damuna ta yi wannan wuri mun bar shi tun da cika yake yi da ruwa muna koke ga huskar gwamnati da huskar meri su shi kokenmu bisa ga wannan wuri da ke cika da ruwa a riba a gani hanyar da ya kamata a rika raba mu da wannan ruwa in damuna ta yi don mu rika samu mu unhwana da wannan wuri eh tunda yanzu wannan wuri in muna salati nan garin duk mai sayan salati garkan mata yake caya ta sai salati kuma daga wajen huska kayan aiki muna buƙatar duka kayan aiki wanda ake noman rani da su su aro zuwar su eh, burwet su ratu su pelu su binet su da ba duka waɗannan muna buƙatar a sa hannu a muna tallahin shi wanda muke iya muna da su mu sai mu aiki da su wanda kuma ba mu da sai mun tai maraɗi mu siyo kamar su aro zuwa ɗin wannan to muna kai kokenmu mu samu a muna tallahi bisa ga waɗanga kayan noman rani duka abin da ake yi mu samu mu ci gaba da wannan aiki a nan wurin. tunda yanzu wannan aikin na noman rani nan mata suka dogara da shi ganin waɗannan matan na aiki shi ya kawo haƙayuka ake kiran ku zo ku gani mata masu aikin noman rani nan tisa suna yi gare mu aka yi koyami har ya kai ga ƙauyuka. to shi yasa wannan wuri muke ta addu'ai ko ba mu ba ko wasu a kama wannan wuri a rika aiki saboda noman rani yana da unhwani yanzu yau in ka noma ka ɗauka ka tai da shi gidanka za ka sarrafa abin ka ba sai ka tai kasuwa ka siyo ba yau in ka noma za ka ɗiba ka ba wani kyautan nan da kai kai ma ka ji daɗin ta za ka ɗebewa ka sai da abinka kenan wannan duka abin da kai ka unhwana da shi ciki kama kanka gungu wanda gobe abin nan sai ka ce bisa noman ga na ga abu kaza haka to kaga ba ka kamancewa da irin wannan abu kenan shi noman rani abu ne wanda ya kamata ƙasa ta ba da unhwani da shi saboda yana kariya yunwa ta biyu tunda in kayi noman gona ka ƙare abincin nan na gona in kana noman rani yana rage wancan abinci da za ka ɓannata kenan bisa gare shi in ka sarrafa wani abu ka rage wani abin da za ka buɗe rumbu ka ebo gare shi to shi noman rani abin yi ne saboda rage wani ɓanna abinci ne kuma rage wata yunwa ce al'umma a dage bisa ga noman rani saboda a ci gaba ƙasa ta ci gaba kuma mata su tashi su dage su ta wannan aiki kar su yi kwanci inda ke da tabki ko inda ke da rijiya in mata sun shi suna iyawa to su dage bisa ga wannan aiki sai ka tashi tsaye ne ake ganin aikin da kake yana a kama maka amma in ba ku yi ba a kama muku ba kenan mata ku dage birni da ƙauye C'était la présidente des Marie-Chère de Tessawa au micro de notre collègue Abiba Ahmed. Prenons une courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 22 minutes. Parlons du cancer de la peau dans la rubrique hebdomadaire santé de ce mardi. Il existe plusieurs types de cancers de la peau et ces cancers sont dus à plusieurs causes différentes. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous propose d'écouter Dr Halidou Sidibé Ramatou, dermatologue vénérologue à l'hôpital La Mort de Niamey. Elle est interrogée par Habiba Ahmed. Les cancers de la peau sont des proliférations malignes qui se développent au dépens des cellules de la peau. De ce fait, on a trois types de cancers de la peau. On a les cancers basocellulaires, les cancers euh, spinocellulaires et les mélanomes. Les cancers sont dus à plusieurs causes, plusieurs facteurs, mais ce qu'on incrimine le plus dans nos régions ici, c'est euh, l'exposition prolongée au soleil. On incrimine aussi la dépigmentation volontaire et il y a certains facteurs génétiques comme l'albinisme oculocutané. Comment ils se manifestent Les cancers se manifestent de plusieurs façons, mais la façon classique, c'est des tumeurs bourgeonnantes qui peuvent être parfois ulcérées et suintantes, qui siègent la plupart du temps aux zones découvertes de la peau, les zones qui sont exposées au soleil. Est-ce qu'on peut prévenir les cancers La prévention des cancers consiste le plus souvent à se protéger du soleil, Surtout quand on a des facteurs génétiques, quand on est albinos, quand on est très très très clair de peau, ou bien quand on se dépigmente, il faut forcément se protéger du soleil. Il faut aussi prendre en charge les plaies chroniques parce que certaines plaies chroniques peuvent dégénérer en cancer. Peut-on classer les cancers parmi les maladies héréditaires La plupart des cancers ne sont pas héréditaires, mais il y a certains facteurs génétiques qui peuvent favoriser l'apparition d'un cancer. Et il faut noter aussi que les plaies chroniques peuvent dégénérer en cancer. Alors, comment se fait la prise en charge la prise en charge des cancers est multiple et se font au cas par cas. Donc on a les chirurgies exérès, on a la radiothérapie et on a la chimiothérapie. C'était là la rubrique hebdomadaire santé. Chers auditeurs, partons en musique avec Belmoyaro qui nous chante Yanka Yanka avant d'arriver à la rubrique éco des régions. lycée à moi. Eric Daniel, Nana Kakuri. Halloween banda kamasada kamasada musika yanga agawa Halloween kamasada kamasada agatani Medina. Dumbo cargo a kishima salamu dumbume dumbume dumbume alhaji balbo dumbume dumbume dumbume dumbume dumbume dumbume dumbume yayi dumbu adumbu sinefu dumbu siamo dumbu sazule rose dumbu rose dumbu kadi dumbume depuis corrige yaka yaka yaka yaka yaka yaka dumbume Italia. E Tu Presidente Tajini, Detto Corniscia, Nana Shino, Kakuri Biba, Aja Farilla, Pirume, Pirige Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Pirume, Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Yanka Yanka de Balmoyaro. Entamons la rubrique Écho des régions d'aujourd'hui qui nous transporte à Agadez, plus précisément à Timia, un massif montagneux très reconnu pour sa production en agrime. Parlant de ces agrimes, la commune de Timia est en train d'acquérir une unité de transformation et de conservation d'agrimes financée par plusieurs partenaires. Une partie de l'infrastructure a été réceptionnée. Pour le moment, il ne reste plus que l'installation de l'unité de transformation suivant Issouf Agelher qui est agent de développement au niveau de la commune rurale de Timia. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed. La commune de Timia, on vient avoir son unité de transformation des fruits parce que vous ne pas sans savoir que la commune de Timia au Niger, elle fait partie des communes qui dont la production des agrumes est très élevée. Maintenant, c'est dans ce cadre-là et nous avons, au niveau de certains partenaires, la commune qui en train de se terminer, et ils ont proposé aux communes qu'il y a un certain nombre de projets qu'il fallait proposer. Au niveau de Timia, nous avons proposé qu'elle nous accompagne pour l'unité de transformation. Monsieur Issouf, quelle est la structure de cette unité de transformation des agrumes Cette unité-là, il y a tout un ensemble, un complexe. Il y a l'usine, il y a des chambres de conservation, et ces chambres de conservation-là, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et là, c'est financé par un autre partenaire qu'on appelle le projet Pôle Et la commune a donné cet espace-là. Et cet espace, déjà, le projet Pôle Ruraux donc, a fini la construction de ces blocs qui composent de trois salles qui sont euh, climatisées, qui vont servir de conservation de tout produit qui est frais sur l'agriculture ça peut être des semences de pommes de terre, ça peut être des agrumes, on a des raisins, des pamplemousses on a déjà vu hier sur le terrain. Et ce complexe-là, il est alimenté par un champ solaire. Ce champ solaire-là, donc c'est qui est électrifié, qui va donner le jeu électrique à tout l'ensemble. Ça veut dire il va prendre en charge la climatisation pour que les produit ne se périsse pas. Et on a vu à l'intérieur, équipé en caisse et les différentes palettes. Et on peut laver. Vous avez vu le système en eau, il est aussi en place. Il est composé d'un bureau de l'agent qui va gérer et vous avez aussi en place ici les bureaux du gardien et nous avons l'air de tri. Lorsque les produits vont d'abord atterrir ici, seront triés. En ce temps, ils seront conservés. Donc ici, il nous reste que maintenant la finition pour clôturer les budgets pour la mise en place de l'unité elle-même qui sera aussi sur le même terrain. les produits sont conservés et ils seront transportés à l'usine pour être euh, vraiment transformés en J. Et le jus sera stocké ici pour la vente ou bien à, l'exportation. Quels sont les critères et les processus utilisés pour choisir l'emplacement de l'usine On a engagé d'abord un débat avec tous les producteurs, ils se sont engagés. Et il y a des gens qui nous ont demandé de faire l'usine à Gadez, à Arlit. Des maraîchers eux-mêmes se sont dit non, il faut que l'usine soit à côté vraiment euh, des, des produits lui-même, donc à côté de la source, côté des jardins. Maintenant, ce qui est convenu, chaque producteur s'est engagé à donner 60% de la production qui sera transformée à l'usine. C'est la population qui s'est engagée, c'est pourquoi la commune a apporté le projet. Qui sont les parties prenantes pour cette usine on attend la clôture de ce budget-là parce qu'il y aura des actionnaires privés. On a des entreprises à Timia, on a des coopératives de maraîchers qui seront actionnaires et avec la mairie. Donc c'est tout ça qu'on attend de concrétiser parce que nous voulons, à travers cette usine-là, la formation des gens qui vont venir travailler, des jeunes qui vont porter ces projets-là, travailler dans l'usine et même vont produire tout ce que ces matériels-là et faire aussi la conservation et la vente. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'idée même de cette usine, c'est que vous avez vu au niveau des jardins, il y a certains produits qui se datent. Le matin, des producteurs peuvent venir, il y a l'orange qui est tombé avec certains attaques. Donc, on peut là rapidement ramener ces oranges-là, les mettre euh, au niveau de l'usine pour les traiter. Donc, ça va nous diminuer beaucoup de gâchis en termes de produits quand on transporte ici les produits avec l'état de route que vous avez vu, ça se gâte. En tant que ressortissante de cette commune, mes salutations vont à l'endroit de toute la population de Timia qui nous suit sur les 3D5. On prend une pause et on revient juste après. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, c'est l'heure d'espoir et nous sommes avec euh, Hassumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Salem Bonjour euh, Abiba. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, la Ligue régionale de cyclisme de Dosso a organisé une course de vélo à Dogandouchi. Oui, Salamatou, c'était à l'occasion de la journée nationale de l'arbre célébrée le samedi 3 août dernier. Les coureurs de Dogandouchi et de Tibiri ont participé à ce tour cycliste dans un circuit fermé long de 15,6 km. Objectif de cette course, préparer les coureurs pour le prochain tour cyclisme du Niger, prévu en principe en décembre 2024. Les équipes du Burkina Faso du Mali y participeront également. Suivant les explications du président de la Ligue régionale de cyclisme de Dosso, Mohamedou Ambarka Abdelaziz, au micro de Abdelaziz Dayouma. L'objectif de cette course-là, non seulement pour que les coureurs apportent leur soutien au CNSP, mais en même temps pour voir leur forme, s'ils sont en forme pour affronter le prochain tour du Niger, qui aura lieu certainement avec l'accord du Dieu en décembre 2024, qui va regrouper les pays de l'AES. Et donc c'est pour cela, dès maintenant, on commence à préparer notre équipe. En tout cas, mes cyclistes-là, je tiens à cœur. Vraiment, je sais que c'est des jeunes enfants qui peuvent faire quelque chose, mais ce que nous souhaitons, c'est un soutien qu'il soit moral ou financier. Parce que vous savez que pour accéder à un vélo, ce n'est pas une petite affaire. J'ai des centaines de mille. Mais pour avoir ça là, il faut qu'on ait des gens qui vont nous parrainer. Gourouza, parlons aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La nageuse Salima Ahmadou a été éliminée, n'est-ce pas Oui, euh, c'était le samedi en nage libre sur 50 mètres. Salima a enregistré un temps de 33,66 secondes. Elle est classée 114e parmi 119 participants. Il faut souligner, que euh, c'est sa première participation sur l'échiquier international de grande envergure. Salima Hamadou est une jeune, donc elle a l'avenir devant elle. Un autre nageur nigérien, Marouane Mamman, a été éliminé également depuis le 1er août 2024 en ce jeu de Paris. Oui, Salamatou, le jeune Nigérien a compétit sur les 50 mètres nage libre également avec un chrono de 30,66 secondes. Il termine son 12e du, classement général sur 113 compétiteurs. Gourouza, pour finir avec les Jeux olympiques de Paris 2024, nous allons parler de football. La France s'est qualifiée pour la finale du tournoi masculin de football des Jeux olympiques 2024 au dépens de l'Égypte sur le score de 2 buts à 1 et l'Espagne vainqueur du Maroc 3 buts à 1. Donc la finale va opposer la France à l'Espagne et la troisième place mettra aux prises le Maroc à l'Égypte pour la médaille de bronze. Voilà, à demain pour euh, un autre soir. Merci Grouza d'avoir partagé ces infos sportives avec nous. Merci. Salamatu, qui a l'honneur de la rubrique portrait du jour C'est Habsou Yari Garba, elle est la chef ou Basaraka des Yambouri, les adeptes des fétiches de la commune de Dogandouchi, un poste qui lui a confié le Kona de Dogandouchi pour sa compétence en la matière. Bien qu'elle soit femme, elle entretient de bonnes relations avec tous les Yamfouri. <coughs> tous les Yambouri. Voici son portrait avec Abdelaziz Denyuma. niyya da jajircewa na daga cikin abubuwan da ke nuna kwarewa cikin rayuwarta tare da nuna dattijantaka da kyautatawa. abin da yasa an ka bani wannan matsayi saboda ina kamar tsohuwar kyabori kuma saboda ana son in yi adalci tunda cikin tahiya in ban san wani ba na san wani kana gani to adalci kuma ina tsaye bisa gare shi in an ka bani makami ina adalci tun da na zamna tare da tsohon bori sun karanta she duk abin da ni yi da su shina cikin kaina bai hita ba dan shi na ɗauki nauyi ga Allah na ɗauka ga kwana saboda mu gyara tahiyar mu in an ka gyara tahiya in na ɗauki nauyin nan ganin shi akai in ban ɗauke shi ba ganin shi akai shi na yasa na ɗauki nauyi saboda cikin harka aljanni in ban san wani ba na san wani game da wannan matsayi da gareta Hafsu ya rigarba na nuna kamna ga dukkan 'yan uwanta maza da mata 'yan bori. to matsala tsakaninmu da abokai in ba kamar masu cece kuce ba ni dai mayan bori ban da matsala da kowa ni ina son in zamna lahiya da kowa dan da inda kana roƙo ga Allah kana roƙo ga aljanni kakka sa kanka bakin ciki da inda ka sa kanka bakin ciki ka sa kanka hassada wallahi ko ka roƙi Allah ka roƙi aljanni ba ka samu to dan shi ni mutum ko bai so na son shi kai ba ni ban ɗauki sarautar bori zamani ba tunda na yi da tsohon bori tunda ba zamani na ba sai in bi lokacin nan na da gargajiyan na in muna son mu gane duk wanda an kai aka bi hanya in ba ci nasara ba yau gobe ci aka yi an naɗa hamsu a matsayin basaraka ta 'yan bori duk da akwai maza masu yawa cikin wannan al'umma saboda kwarewata da sunan da ta yi da kuma ƙoƙarinta na kamawa a ciyo kan wasu al'amura. To ga maza a sa mace mace nan da za a sa ta tahi maza ɗari tun da mace nan ko kanta aka ji suwa tana tsaye mace nan kuma mace nan da annan tsaye ta san tahiya ta Allah ta aljanna. Akwai wani namijin bori ko an tambaye shi haraka ta aljanna bai sani ba. duk da yawan shekarunta hamsu na tsaye domin ci gaba da gwagwarmaya don rayuwar al'umma ta inganta don shi rayuwarta take kamar misali ga al'umma mai tasowa abin da dai an harka aljani in an kamin yin shi kai yau wanda duni ma babu mai ce abu bai ba sai a ce abin nan yayi alhamdulillahi kuma duk abin da a huska na aikari ya dogon duci a ba sai na ga babbana ba tun da yabban yuka yabban nama yi na zani saboda ba ni son harka ta tabarbare ina son harka ci gaba abinda duk an matsala nan cikin garin dogon dutse har dai in ta shahe mu nan komin duk inda naka iya shiga shiga na zani Allah shi muna maganin ta su ko su kare mu amma duk wurin da nake da hanya in ta yi tsayin roƙa Allah roƙi aljanna ina zuwa Chers auditeurs, c'était le portrait des Habsou Yari Garba, réalisé par Abdelaziz Danyuma. Dernier tour en musique avec Juma Sidi Hansi Bonko qui nous chante copocolé Kole, une manière de bien clôturer l'émission. On écoute. Juma aboga. agoga kai, Juma sika kai agoga, Juma si fosini goga, ai suji noro nigi, wai jo iji sano, sidano na wiga copocolé colé kole kole chers auditeurs, nous vous proposons maintenant de suivre le conseil pratique offert par les desk femmes du studio Kalangu. Dans les lotus d'aujourd'hui, elles pointent du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. Hey niya mana tsayanan fa kaka matsa la ilaha illallah ina ta yi kuma ina fatan dai ba kwana take yi ba kamar yadda ta saba ramu ramu ramu eh, allah waye ki kwala mini kira a wannan lokacin haba ramu me kike yi cikin ɗaki ga ɗanki nan shi kaɗai cikin hilin gida kaɗan yayi saura ya hwaɗa cin rijiya ni subhanallahi <laughs> habibu Habibu ina ma yake na shiga uku. Dan labo kuwa gashi nan kusa. To kai Allah na gode muka. Allah ɗaya san abin da zai faru inda ban toba a daidai wannan lokaci. Na gane shi kusa ga rijiya yana neman kamo abin wasan shi da ya hwaɗi can sama. Ha? Ai da sai ya hwaɗi ciki kuma iya ya hwaɗa ciki wallahi ba ku sani. Hmm, ni Allah, da na rasa ɗana, da me zan ce ma uban in ya zo. Yanzu dai Allah ya sa an yi sa'a, babu abin da ya same shi. Amma ga hannu, ba ni iya ganewa. Ya zaki ki bar ɗanki, ɗan ƙaramin yaro kamar Habibu yana wasa shi kaɗai cikin hilin gida. Ha? Kuma kin sani sarai da wannan rijiyar a buɗe take ba a ruhe ba. Ai wannan hatsari ne gare ku a cikin gidan nan da baki sani ba. Hmm. Bari Ami, wallahi kin san da kwance ho muke tare, kamun barci ya ɗoke ni. Kuma kullum tare muke barcin rana. Kuma in ba yau ba ma, bai zuwa can wurin kuma zancen rijiya da kike kullum ina jan hankalin ɗan aikin nan ya ringa rihe ta idan ya gama ba ma itace ruwa ban ce a bakina da gaskiya amma ya kamata ki kara mai da hankali ki zan kula da kanki da rihe wannan rijiyar in aka ƙare komi da ake yi da ita ke ya kamata ki zan lura da ruheta kuma ma ban ma san don me yasa kuke rike da rijiya cikin gida ba cikin wannan zamanin da ko ina ga famfo kuma kuma ga ku da famfo cikin gida. Hmm, baban Habibu wallahi. In na mishi zancen a kashe wannan rijiyar sai ka mun zancen wai shi a zai yi wani furaji da ita. Haba abu ne mai kyau. Amma kafin nan ya kamata ya tambayi manyan masana su ya kamata su gaya mishi bisa kan yadda abubuwan da ya kamata a girmama kahin a yi wannan furaji. Kahin nan kuma ya kamata ku kare wannan rijiyar a rihe ta da wani raga ko da wani abu kahin ma a buɗe a samu a yi forage har ma saboda yara. Hmm. ya ce mini ya yi hira da su, na san nan gaba za su zo su yi aikinsu. To hakan ya yi kyau, amma ya kamata ki kara mai da hankali, ki zan kula da yaron nan ka ya ƙare wannan aikin forage. Ke bari ba yaron bari jiyan ma da kaina ni zan ringa kula da ita kahin su tashi gina forage kin gana shi. To madalla, shiga shi ni har na mamance abin da ya kani gidanki. Kai ba dole ba. Hmm, wallahi na gode miki da ke dai da kika zo. Allah ya sa kika zo gidan nan da yaya zan yi. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Grand merci aux desk femmes de la rédaction pour ses multiples conseils. Asumane China vient de nous rejoindre au studio. Il se charge de la culture linguistique en Hausa. Bonjour Asumane. Bonjour, cher auditeur. Bonjour, Salamatou. Bonjour, Habiba. Bonjour. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est le moment de la culture linguistique. et aujourd'hui, c'est indépendance, comme la Hosa Moujé. C'est une tchimoko indépendance de Anachimichi Inchi, Inchinkai, de Hausa. Inchinkai, kuma kun san kasashen mu na Afirka dama sun yi zama cikin karkashin mulkin daga Turawa. amma sai kaɗan kaɗan suka yi ta samun incin kansu alal misali niger ta samu incin kanta ne daga turan mulkin mallaka na faransa a ranar uku ga watan uku na shekarar 1960 wato tura uku sassan ta kenan yanzu abin da ake nufi da inci wato inci dai shine wata ƙasa ko kuma wani gungun jama'a su ɗauki niyyar samun incin kansu na gudanar da wato na samun damar yin ayyukansu ta ƙashin kansu ba tare da wani abokin hulɗa ko ta fannin siyasa ko ta fannin addini ya tursasa musu ba a game da ayyukan da suke son su yi ko kuma eh, alƙibar da suke son su kama wato ya kasance komai suna yin shi ne cikin incin kansu cikin niyyarsu cikin ra'ayinsu ba tare da an takura musu ba eh, kamar da bayyana muku ƙasar nijar ta samu incin kanta ne Eh, wato a ranar uku ga watan ut na shekarar 1960 to sai dai kun san bana an samu dan canji inda aka samu ji mulki da ranar 26 ga watan eh, watan jiye ko eh, na shekarar 2023 inda aka juya cewa wannan rana ita ce aka maida a matsayin ranar samun incin kai a nijar to sai zamanto kuma wannan rana ta uku ga watan ut ta amadu ta a matsayin ranar da ake dashen icce a can baya dai tun shekarun baya suka wuce a wannan ranar uku ana amfani da ita ga watan ut don dashen icce da kuma cewa rana ce ta samun incin kai amma yanzu an samu an juya saboda ana cikin sabuwar tahiya to shi dai incin kai yana ba da damar ganin cewa eh, ƙasa ta samu damar zaɓin siyasarta ta yadda za ta da ayyukanta na ci gaba na al'adu da dai sauransu da ayyuka na ci gaban ƙasa kun shirya takaice irin yadda zan bayyana muku wato kalma ko kuma ma'anar inci ko kuma independence kenan a wannan shiri na yau takaitacce to asumana mun gode sosai yanzu mun gane menene independence Chers auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Alaji Salisu, wanda aka da Alaji Salisu mai albasa. Eh, ga yanda eh, muka ganin yanayi na tsare-tsaren istiyo kalangu to gaskiya sai fatan ubangiji Allah ya saka musu da alheri shi kara ma da waɗanda sun ka kirkiro abin da waɗanda ka tayar da shi da duka kowa Allah ya kara musu ɗaukaka saboda abubuwan suna da ƙara tasuwa saboda Usman kana ganin ta hanyar studio Kalangu sai shi zama kamar wata jami'a ce inda kana suivor din su sai zan kamar wata jami'a ce wadda kaka karatu cikin ta wadda ka samu abubuwa inda kana biyar su zaka samu abubuwa da yawa inda zaka jiya wanda za su ƙara sheka dan ko ina duk al'amarin da ka gudanar suwa kana ji cikin tsarin nan na studio Kalangu kalangu an kawo shi kuma a ka ai tambayoyi irin wa'anda al ma'ana abin da ya shahi jama'a to kaga ku wannan kuma a sanar da mutane wasu abubuwa wanda ba su sani ba to bisa ga wannan gaskiya tsarin su shi na yi muna fatan ubangiji Allah shi ƙara ma wannan abun gashe ɗaukaka fi sabilillahi mun yaba sosai da sosai muna jinjina musu ko wani hanya ko wani fanni Usman kana jin suna tabuwa noma na kasuwanci na harka da ta shahi hukunci na harka da ta shahi iyali mina na komai sai kaji a ga to kaga ku kamar yanda ni kara ciya zan kara maimaita wata wata jami'a ce babba wadda kana karuwa da ita ko da yaushe in namiji haka in mace in yaro kake in babba har ka tsarin studio ya kalangu sai kaga ya shahe ka a faɗi ciki da adda alfanu bisa ga wannan muna fatan Allah ya ƙara musu ɗaukaka kuma Allah ya ƙara damƙon tahiya da mu da su duka tunda da al'umma na su kai kuma duk ya shahe kowa mun gode bisa ga wannan ina gaida duk al'umman musulmi duk waɗanda suka jin bayani daga nan studio kalangu duka ina gaida su ina kuma fatan ubangiji Allah shi ƙara mu musulunci ɗaukaka kuma ina gaida duk dai al'umma kowa da kowa da na Niger musamman na cikin gwarin kwanni duka kowa ina gaida su ina musu fata alheri kuma ban mancia da mai martaba sarkin kwanni ubangiji Allah shi kara mai tsawon kwana shi kara ɗaukaka shi kara fahimta ubangiji Allah ya kara mai ɗaukaka kuma da prefe na birnin kwanni shi ma ubangiji Allah ya saka mai da alheri saboda gaskiya gaskiya an shekaru ana kawo mana mu dai magabata ba mu taba samun ire-iren wanga ba wanda ka tsaya shi saurari kukan talaka Ka kai saurari komi ne talaka Usman kuma ko kai awwa in ka zo da hannu bishka tarbuwanka kuma in ka zo da abu mai ma'ana kuma wallahi ɗari bisa ɗari shi ka kama maka to muna fatan ubangiji Allah shi ma shi ƙara mai ɗaukaka da su mayar wanga da aka kamuna da duk magabata na nan ubangiji Allah ya saka musu da alheri dan dai fi sabilillahi tahiya ta kwanni da mu da su duk an haɗa kai komi daidai ne aka tahiya bisa ga wannan gaskiya mun gode ma Allah mun gode ma kuma gaban gwamnati nan nan Niger saboda da har turo mana ire-iren ga wa'anda da fahimta wa'anda sun kasan kukan talaka mun gode mun gode Allah ya saka musu da alheri Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, fin de notre émission de ce mardi 6 août 2024. Rendez-vous est pris demain à la même heure et vous retrouverez Samira Rouafi et Mariam Adey. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et à la technique c'était Issa Lawoli. Pour rappel, nos, émissions sont archivées. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web le ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Passez une excellente journée. Bye bye. Bye bye.